Soyez les bienvenus à une illustration de notre passé Koumoye. Ce matin, nous allons considérer un sujet tellement notre personne et un sujet qui a été vraiment bien entendu par d'autres personnes de notre génération. Et à cause de cette étude, nous allons lire la, biographie et l'étude de vie. Il paraît qu'il y a quelque chose qui a rien fait, déjà fait ce truc. Il y avait certaines années, j'ai eu l'occasion d'avoir un livre de Charles Finney, Sans autobiographie. Et j'ai lu verset, chapitre par chapitre, et j'ai découvert quelque chose. Pour moi, c'est tellement étrange. Ce homme qui a continué à l'évangile, sa parole, a eu beaucoup de puissance. Si vous avez lu ses paroles, ses sur le, papier, ça, me, je, je, vois les choses. Ça, ça c'est juste. C'est comme ces paroles ont toujours des puissances. Mais en lisant, en lisant, quand j'ai lu ces messages sur les papiers, j'ai vu que c'est comme, ce n'est pas de puissance. Mais quand j'ai vu ces paroles encore sur sa biographie, vraiment, il y a eu beaucoup de lourdeur. Et, ça a eu beaucoup et les gens venaient au Seigneur. Et j'ai découvert que il a eu vraiment une compréhension, il a, il a eu vraiment une compréhension, il a une compréhension tellement profonde de ce que nous considérons aujourd'hui. Il y avait beaucoup de personnes qui ont lutté contre lui, mais il a continué. Alors j'ai pris le livre de Jean Wesley. Jean Wesley, et j'ai aussi, il vu qu'il a commencé à prêcher avec le zèle, avant qu'il soit maintenant converti. Et les messages, les lettres qu'il a écrites, et comment il a planifié sa vie, et comment il a la Bible, même avant qu'il ne soit né de nouveau, m'a rendu, m'a fait, m'a rendu honteux. Et j'ai commencé à découvrir les, les, secrets des puissances, les secrets de la puissance, des autorités. Il est maintenant, et il a, il a commencé, il a découvert le secret des puissances, le secret de, la, l'autorité. il est vraiment, quand, ah, finalement, il s'est repenti en 1700 la prêcher la parole de Dieu de avec puissance, avec l'onction, avec une détermination définie. Et j'ai suivi son, son, agenda comment il a prêché la parole de Dieu, comment il a prêché. Jean Wesley, le père du, de l'église méthodiste, il a, il a prêché, Que nous aussi, les Pentecostales, nous prêchons la parole de Dieu. Mais à cause de cette étude que nous avons ce matin, nous allons comprendre que, que il, il, il il y a quelque chose. Il est rentré dans un rêve. Il est rentré, il est, il est rentré dans un rêve de foi. Et vraiment, quand j'ai vu cela, cela m'a vraiment euh, donné, cela m'a vraiment défié. Quand j'allais un jour pour prêcher, quand il allait, quand il allait pour prêcher la parole d'un jour, il savait que les gens le suivaient. Il allait aller prêcher la parole de Dieu. Mais, mais, mais, mais il doit aller prêcher la bas Mais, mais en ce moment, comment il a compris cette, ce message À cause de ce il a regardé au Dieu, il a dit, Seigneur, si je... Il dit, regardez ce qui se faisait. En ce moment, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et euh, il... Euh, il était là, il devait aller pour prêcher la parole de Dieu à ce lieu. Et sa voiture, c'était le cheval. malheureusement, le cheval était malade et lui aussi ne se sentait pas bien. Mais voici ce qu'il a fait. Il a, levé ses yeux au ciel. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour aller prêcher la parole de Dieu. Seigneur, guéris-moi et guéris-moi. et il a dit, Seigneur, guéris-moi aussi et guéris mon cheval. Et en même temps qu'il a prié cette prière-là, son cheval est guéri instantanément et lui aussi, il est guéri. Il est parti pour prêcher la parole de Dieu. Il allait pour prêcher quelque part. et a, il, J'allais aussi dans son agenda, j'ai lu et j'ai vu quelque chose. Il, a aussi, il allait aussi pour prêcher un avec son, son, groupe. Il n'avait pas l'eau. Voici, et quand il allait pour prêcher, ils ont manqué de l'eau. en ce moment-là, en ce moment, les gens disaient que il les gens disaient que c'était un grand qui écrit il dit, il peut écrire toutes choses avec son pain, son, stylo. Ça peut être que, ça peut être qu'il peut être un. Ça peut être, ça peut être que, ça peut être que il était un professeur, mais à cause de ce sujet que je parle, il n'était pas. Il n'avait pas l'eau à boire quand il allait. Au lieu, au lieu que Jean, Jean Wesley retourne pour chercher de l'eau, il, et euh, au lieu de dire, oh, ceci-là, je ne peux pas continuer. Il a vu un lieu. Il n'y a pas. Et, euh, il y avait pas. pas et, il a. Alors, ils, sont, ils, se sont, ils se sont tournés et au lieu d'aller retourner, comme je l'ai dit, le retourner derrière, ils n'ont pas retourné. Il a dit, il a continué et ils ont tourné, ils ont vu un lieu. Alors quand ils ont trouvé ce lieu-là, que se faisait, ils n'ont pas de roue, il n'y a pas de rabot, il n'y a pas de coupe-coupe, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. Et euh, seulement que leurs mains, il n'y a rien, il n'y a rien, il y a pas de. Ils, comment, ils, ont, ils, ont, ils ont commencé à faire quoi Ils ont commencé à creuser avec leurs Leurs mains. Ils ont commencé à creuser le trou avec leurs mains. Ils n'étaient pas des Africains, mais ils étaient blancs. Ils ont creusé le trou. Ils ont, ils ont, ils ont creusé le trou avec leurs mains et ils ont trouvé de l'eau à boire. Ils ont continué dans leur prédication. Ils ont aussi continué aussi à aller dans un lieu pour prêcher aussi la parole de Dieu jour. Et les gens là-bas, en ce lieu, les gens, et si vous avez lu dans l'histoire des, des, des, des, Britanniques, les gens, même qui sont, même, les gens même qui ne sont pas nés de nouveau, ils savent que John, Wesley a changé l'histoire de la Grande-Bretagne à cause de la vision, à cause de la révélation qu'il avait et à cause de son entendement profond sur, mais selon le sujet de ce matin, il est parti. Il, il avait des, des bois. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Mais à cause de son, à, cause de son entendement, il n'a pas fui, il a continué. On a vu qu'il est né de nouveau. Regardez, si, si c'était moi, Jean Wesley a été, et ces personnes l'entendaient. Quand il arrive, on va ils vont le tuer pour le tuer. Il a dit Seigneur, ceci peut être, je suis, plus là. Ceci peut être ma dernière euh, prédication de la parole de Dieu. Ce qu'il a ouvert sa bouche a dit. Parce qu'il savait qu'ils étaient prêts à le tuer quand il va arriver. Mais il a Seigneur, je ne veux pas arrêter. Je vais prêcher la parole de Dieu. Ceci peut être, ceci peut être ma dernière prédication. Il n'a pas fui. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes, ils ont jeté leur bâtons avant qu'ils finissent de prêcher la parole de Dieu, tous, on se sont engenoués, jettent le pardon, ils ont commencé à chercher la voie du Seigneur. Et ceci là, il a en danger sa vie pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et Jean, Wesley n'a pas perdu son temps pour les choses qui ne sont pas nécessaires. Il allait quelque part là. Et il y avait un pont. Et un pont là, c'est ce pont là ne peut seulement que prendre une seule personne. Et il y avait, il y avait l'autre. Il y avait l'autre personne qui revenait. Hein. Ils se sont croisés. Et l'autre l'autre a commencé. Et l'autre personne, l'autre personne a continué à venir, continué à venir. Et l'autre, et l'autre, et l'autre personne a continué à venir. Sur ce bridge-là, sur ce, ce, ce, pont-là, c'est une seule personne qui doit y passer. Mais en hein, il était, il a commencé à crosser ou bien à traverser ce pont il y avait une autre personne qui venait de son, de, son, côté opposé. Et cette personne lui opposait et le croisait venant avec euh, vraiment une air tellement énervée, une air tellement grave. Et cette personne venait à son encontre. Et cette personne en venant là, et elle venait, cette personne venait en disant, moi, je ne vais jamais me retourner pour un fou. Je ne vais jamais retourner euh, derrière pour donner place ou donner voix à un fou comme ceci. Ça veut dire que John Wesley maintenant a un tellement coin difficile. dit, oh, toi tu devais être un professeur de l'université pour aller enseigner et tu es là, tu perds ton temps sur le, n'importe où, tu dis que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, de quoi que ce soit. Moi, je ne perds jamais mon temps pour des fous comme ça. Jean Wesley. Jean Wesley a dit, oh, il n'y a pas de problème. Moi, je, je cède. Tu jures à des fous. Toujours, moi, je sais toujours aux gens. Moi, je sais toujours aux gens. Je sais toujours la voix aux gens. Il est laissé partir. Il a, il a cédé, il a cédé la voix. À cause de la compréhension, il n'a perdu son temps. Un jour, traitait, un autre était William Booth, un leader et un fondateur, un fondateur de l'église salvatrice il peut le faire. Il dit, il faut convaincre Dieu. On, lui a dit qu'alors, ces personnes qui sont venues à l'étude biblique vont tous et ils vont le laisser. Ils vont le laisser d'aller prêcher la parole de Dieu. Personne ne va revenir et dire, il a été découragé et il va prêcher jusqu'à ce qu'il parte. Ce homme-là a compris quelque chose. Vous voyez Il y a six pigeons ça veut dire que euh, plusieurs années, plusieurs années passées, six prédicateurs. À l'âge de 20 ans, il prêchait, prêchait à 20 000 personnes. Et quand il est venu pasteur en, Grande-Bretagne, nous, nous, toujours avoir euh, le temple Spurgeon là-bas en, Grande-Bretagne. Il a eu une congrégation de 5 5000 et va, regardez, il était là-bas. Il était avec cette, il était avec cette femme-là. Il allait, devait aller prêcher. Et il y avait un problème. Et quand il allait, avec sa, sa fiancée, alors, parce que, parce que lui, sa pensée était sur là où qu'il va aller prêcher. Et il allait, il a même, il a prêché, il a oublié même cette fille-là, il est parti prêcher la parole de Dieu. Et se les gens ont dispersé. Et maintenant, il a commencé à chercher sa femme, euh, sa femme fiancée. Et finalement, il est retourné à la maison. Il est, parti voir la fille à la maison. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé Oh, j'étais perdu dans le public. La femme n'était pas contente. La fille n'était pas contente. Comment il dit, pour comment tu as vu cette grande foule, la, foule, et au lieu, au lieu d'aller au stage, au lieu d'aller sur le temple avec moi, tu m'as perdu. C'est là que je suis à la maison. Il dit, la femme, il a retourné, il a regardé la fille dans la face, et il a dit, il a regardé la face de la fille, il a dit ceci. Il dit, c'est le moment opportun c'est le moment opportun de faire le choix. Je compte le Seigneur et je dois prêcher la parole de Dieu avant que je ne te croise. Si notre relation va empêcher ma relation avec le Seigneur, alors coupons cela. Ce jour-là, la fille a vu que hmm, cela, il a commis. a, elle a compris. Compris le message de l'éternité. C'est ce que nous parlons de aujourd'hui. Je crois que vraiment tu es béni à travers cette parole. Je t'en prie, ne fais pas garder cette illustration de soi-même. Il faut le passer aux autres personnes et ceci peut être une bénédiction aux autres personnes. Continue et prêche aussi et partage cette parole aux autres personnes qui le reçoivent et qui soient bénis aussi avec toi. S'il plaît à Dieu, on se va le dans la semaine prochaine. Amen.